le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du le forum du studio le forum du du Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le forum de la presse de Studio Kalangou. Le forum de la presse, de... c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec nos confrères de la presse écrite, audiovisuelle ou en ligne pour analyser l'actualité. À suivre dans le forum de la presse de ce soir, l'évolution de la situation du Covid-19 au Niger, dont le nombre de cas de contamination régresse de jour en jour. Au plan humanitaire, nous reviendrons sur le cas des personnes déplacées internes dans la région de Tilaberi, elles sont environ 11 000 à avoir fui, notamment dans les départements d'Ayoro, Torodi, Abala, Selon, Ocha, Niger. 27 véhicules euh, de, transport détruits euh, par les forces de défense euh, et de sécurité à Chetimari, région de Difa, selon le président régional des transporteurs. Pour parler de tous ces sujets, je suis avec mes confrères Garé Madou, journaliste au quotidien La Nation. Garé, bonsoir. Bonsoir. Hassan Boukar, journaliste à la radio alternative. Hassan, bonsoir. Bonsoir. Et nous sommes euh, en ligne avec euh, Maimouna Diado également, journaliste à la télévision Tambara. Maimouna, bonsoir. Bonsoir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je suis Alassane Kouzi Mahamadou pour la présentation de cette émission. Bienvenue à toutes et à tous dans le forum de la presse de Studio Kalangu de ce vendredi 17 euh, avril 2020. Nous débutons par l'évolution de la situation du Covid-19 au Niger. Ces derniers jours, le nombre de nouveaux cas connaît une relative baisse par rapport aux jours précédents. De 19 cas le mercredi, on est passé euh, à 14 nouveaux cas le jeudi. Ainsi, à la date euh, du jeudi 16 avril 2020, le nombre total de cas est de 584, parmi lesquels l'on dénombre 97 personnes guéries et 14 autres décédées. Maimouna Diado, vous êtes au téléphone avec nous. Comment appréciez-vous cette relative accalmie et d'après vous, elle est due à quoi Donc, euh, je vous remercie. En fait, euh, parlons donc de euh, de l'accalmie qu'on observe du point de vue donc de cette pandémie qui est le Covid-19. Je pense que c'est peut-être les consignes, les mesures préventives qui sont en train d'être euh, effectués effectuées par la population. Parce que au tout début, c'est vrai, ça, ça faisait peur. Euh, mais petit à petit, nous voyons que c'est en train de regresser. Et Dieu merci, peut-être que c'est avec justement, comme je le disais à l'instant, les consignes préventives, que se laver les mains et autre chose, les mesures préventives en fait que les gens ont adoptées. Euh, la sensibilisation, ça veut dire que la sensibilisation est en train de passer net euh, auprès donc de ces populations. Euh, je pense que c'est ça qui est dû peut-être à la régression donc euh, du, Covid-19 à la date d'aujourd'hui. voilà donc en fait ce que moi je pourrais dire par rapport à cette situation. Alors nous revenons au studio. Gary Amandou, comment vous vous appréciez cette relative accalmie en tout cas, au tout début, dans les premiers jours, on a 40, nouveaux cas par jour ou 60. Voilà, et de plus en plus, on a 17, 18, 14 cas. Oui, il faut, se féliciter quand même de cette régression du nombre de cas. Euh, vraiment, je pense que, contrairement aux, prédictions vraiment macabres de certains Occidentaux, qui pensent que l'Afrique, euh, il y aura des millions de morts avec des morts dans la rue, non, non, non, je pense qu'il faut qu'il se calme. L'Afrique est en train de gérer. L'Afrique n'a pas, jusqu'à présent, je ne pense pas si on a atteint 1000 morts. Vraiment, je pense que le continent. le continent. va pouvoir mieux gérer cette pandémie que les pays occidentaux. Et il n'y aura pas cette catastrophe-là qu'on était en train de nous prédire. Et ces cas qui sont en train de regresser, vraiment, c'est le signe que nos pays sont en train de vraiment prendre en charge cette maladie-là. Et comme l'a dit Memouna, effectivement, effectivement, les gens sont de plus en plus en train d'adopter les, cette culture de, laver les mains quand on rentre dans un bureau. Déjà, au niveau de chaque service, au niveau de chaque marché, au niveau de chaque boutique, il y a ce dispositif-là de lavage de, mains. Je pense que ça fait en sorte que euh, la maladie est en train de régresser. Mais j'ai quand même une inquiétude parce que j'ai comparé ce qui se passe au Sénégal par rapport à ce qui se passe au Niger. Mm. Au Sénégal, ils ont moins de cas mais avec un taux de guérison beaucoup plus fort. Hmm. C'est-à-dire que sur près de 200 et quelques cas, ils ont plus de 100 et quelques guérisons. Hmm. La question que je me pose, est-ce que ce n'est pas le même protocole qui est adopté Est-ce que le, protocole de traitement, vous voulez oui, de traitement. Hmm. Est-ce que le Niger ne devrait pas, en tout cas, envoyer une mission au Sénégal pour savoir, au fait, qu'est-ce qui fait qu'ils ont un taux de guérison aussi fort Parce qu'ils parlent de sur 200 et quelques cas, plus de 100 et quelques guéris. Et nous, euh, on a encore un nombre de guéris qui, est vraiment par rapport au nombre de cas qui est un peu truc. Mm. Je pense que les autorités devraient scruter ce qui se passe au niveau du Sénégal. Mm. Je n'ai pas l'impression que c'est le même protocole. Ils, ils améliorent, ils ont l'Institut Pasteur là-bas, c'est vrai, nous on a le CERMES ici. Mais j'ai l'impression que eux, il y a une méthode qui est bien particulière à eux qui, pourrait être utilisée. Bien sûr, qui, pourrait être utilisée ici. Oui, je pense qu'il faudrait que le, ministère de la Santé revoie cette question-là vraiment avec beaucoup de sérieux. Mm. Euh, alors, Hassan Boukar, alors, comment vous, vous, appréciez en tout cas toute cette, cette évolution du Covid-19 au, Niger Une relative baisse ces jours-ci Merci Alassane. Moi, je suis très prudent sur les chiffres. <laughs> Je pense qu'il faut être extrêmement prudent sur les chiffres. Euh, oui, euh, quand on lit un peu les communiqués faits par le ministère de la Santé, on a des cas relativement moins importants que ceux qui étaient annoncés les semaines passées. Alors, la première difficulté à lire ces chiffres, c'est que est-ce que ces chiffres renvoient à des personnes qui ont été en contact avec des, malades Et du coup, si on considère que qu'un malade a été en contact avec 13, 14 personnes ou 20 personnes, mm. et donc on dépiste ces personnes, parmi ces personnes, on peut savoir combien ont été ont contracté la maladie. Mm. Mais vous avez des pays, par exemple, qui ont choisi de faire le dépistage systématique avec des milliers de cas. Mm. Ça permet de dire, par exemple, sur 1000 cas, on a telle personne qui ont, qui, ont contracté la maladie. Mm. Mais chez nous, on ne sait pas finalement. Chaque jour, on dit euh, les personnes, on a dépisté tel nombre de personnes, voilà le nombre de cas. Parce que chaque chiffre, on le lit en fonction du choix qui a été fait mm. et de comment on l'a obtenu. Et, ce choix, vous n'avez pas l'impression que ce choix est expliqué mais, ce choix n'est pas expliqué. Mm. La, seule chose qui est expliquée, on dit, sur tel nombre de personnes dépistées, on a tel nombre de cas. Mm. Alors, donc on ne sait pas quelles sont ces personnes dépistées. Est-ce que c'est des personnes parce que vous ne savez de l'entourage de malades Voilà, vous ne savez pas sur quelle base on a dépisté aujourd'hui 300 personnes ou 200 personnes ou 100 personnes. Vous ne savez pas sur quelle base c'est fait. Hmm. Et donc du coup, vous n'êtes pas capable de dire que ça régresse ou ça ne régresse pas. Et donc, hmm. Mais par rapport aux chiffres, là, comme Gary l'a évoqué, quand on voit succession des chiffres annoncés par le ministère, oui, il y a une baisse. Mais la méthode choisie pour dépister les personnes, ça, on ne les connaît pas. Et donc du coup, il est extrêmement difficile aujourd'hui de dire que ça baisse ou Maintenant, euh, nous sommes quand même un pays qui n'est pas sous confinement, sauf des gens qui ont choisi l'autoconfinement. Mm. On a encore des marchés qui sont ouverts. C'est vrai, vrai, que les lieux de culte sont, fermés. Or, les marchés, si vous prenez les marchés, c'est quand même des lieux où des, des milliers de mmh. personnes peuvent se retrouver par jour. Il y a des mesures qui ont été annoncées. Et je pense qu'au moins de ce point de vue, les médias font un rôle extrêmement, jouent un rôle extrêmement important. Mmh. Au quotidien, les médias rappellent, en tout cas pour ceux qui veulent entendre, ils peuvent entendre ce qu'il faut faire. Mmh, euh, euh, il y a peut-être quelques résistances. Je ne sais pas si tout le monde euh, est d'accord pour suivre ces mesures barrières et tout ça. Et donc, du coup, moi, les chiffres. Vous êtes prudent. Je suis prudent, mais, mais je suis d'accord avec les choses que Gary a évoquées. Je ne crois pas que la catastrophe annoncée, ça va avoir lieu en Afrique. Alors, Gary avait aussi évoqué le fait qu'au Sénégal, on a une petite différence par rapport au Niger où on a plus de personnes guéries que de personnes malades. il se posait la question sur le protocole qui oui, je pense Que les, Sénégalais ont très vite, je peux comprendre, selon le type de communication qu'on entend du Sénégal, qu'ils ont aussi choisi presque le même protocole, hein, en particulier basé sur la chloroquine. Je pense que les médecins sénégalais ont déjà dit que la chloroquine semble donner des résultats, mm. euh, en confirmant un peu euh, ce qui est dit un peu en France autour mm. du professeur Raoul qui fait mm. polémique, mais en même temps, ils disent, euh, on pense qu'il y a des résultats qui arrivent et le Sénégal semble montrer qu'ils ont en tout cas dû prendre les choses vers le bon côté et ils ont des meilleurs résultats. Et donc, peut-être qu'il faut s'inspirer, il faut savoir pourquoi chez eux euh, les choses sont à ce niveau. À mon avis, je suis d'accord avec Gary. Il y a peut-être quelque chose dont il faut s'inspirer. Hmm. Euh, seulement, autre chose que je ne sais pas si vous avez fait le constat, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de sensibilisation et que euh, sûrement que ces sensibilisations ont eu un impact chez les, chez, chez, en tout cas chez les populations qui, la plupart, ont adopté certains gestes, mais on constate encore euh, dans la ville, en tout cas pour le cas du Niamey, que je connais, on constate encore qu'il y a nombre de personnes qui continuent, euh, en tout cas, à, vivre comme, comme, comme, avant. Oui, les, habitudes ont de la vie dure. Hein. C'est-à-dire que si vous voulez tout de suite changer les, les habitudes, c'est quand même extrêmement difficile. Regardez quand vous retrouvez en groupe, il y a toujours le reflet de tendre la main, de mm. vouloir serrer la main de quelqu'un. On peut se rétracter et tout ça. Mais euh, vous avez aussi des gens peut-être euh, qui croient à d'autres choses. Hein. Mm. Il y en a qui ne croient pas nécessairement à la communication telle qu'elle est faite. Mm. Euh, pour les gestes barrières, c'est devenu une communication universelle. L'OMS a conseillé, dans le monde entier, on reprend ces gestes. Maintenant, le reste de la communication qui est propre au pays, je ne sais pas si vraiment c'est très bien communiqué. Regardez par exemple quand on nous dit qu'il y a un nombre de cas, oh, on a l'impression que tous les cas sont dans le même panier. quand on dit il y a 300 personnes, on dit que leur cas est stable. on a l'impression que tous les gens ont, présentent les mêmes caractéristiques. Mm. On n'a pas, par exemple, une spécification sur les cas. Est-ce que chez certains c'est plus grave Est-ce que pour tout le monde Bon, voilà. Ailleurs, mm. on voit bien la communication telle qu'elle est faite. Mm. Je pense que peut-être qu'on peut donner des meilleurs résultats quand on dit aujourd'hui on a dépisté 200 personnes. Et puis, il y a, y a 20 personnes qui ont contracté la maladie. Mais les 200 personnes, c'est quoi c'est sur quelle base mm. Est-ce qu'on l'a choisi au hasard mm. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut améliorer dans la communication. Euh, oui, je, suis d'accord avec, je suis d'accord avec avec Effectivement, les chiffres là peuvent être assez trompeurs parce que tant qu'on n'a pas une campagne de dépistage, je veux dire systématique, mm. on ne peut pas savoir en réalité euh, quel est le nombre de cas et quels sont le nombre de personnes infectées, sont Apparemment, ce qui se passe, c'est que ce sont des gens qui ont des malaises qui se présentent qui appelle, pas qui qui appelle. Hmm. Dès que vous appelez, bon, en ce, moment-là, on, vous prend et puis on prend euh, les membres de votre famille ou vos proches et puis on essaie de dépister. Mais ça, ça ne permet pas de savoir la situation nationale. Tant qu'on ne met pas en place un système de dépistage systématique au niveau des services, etc., etc., on ne pourra pas avoir les vrais chiffres en réalité. Ah, euh, euh, et par rapport au à certaines personnes qui sont encore sceptiques à, adopter les comportements. Oui, ça, je crois qu'il faut, il faut continuer à sensibiliser parce qu'il y a des gens qui ne croient même pas que cette maladie-là existe. Je trouve que c'est des attitudes assez dangereuses mm. Mm. de minimiser la capacité nuisance de cette maladie. Mm. On apprend chaque jour des gens qui meurent, qui sont des Nigériens qui sont en France, des gens qu'on connaît, qui, meurent comme ça. Il faut prendre cette, menace-là extrêmement au sérieux. Cette maladie-là, elle est insidieuse et si on ne prend pas des mesures, peut-être que la propagation risque d'être. C'est-à-dire, les gens auront l'impression qu'ils se portent bien, mais un jour, la, maladie s'est déclare, et ces gens-là ont été en contact avec d'autres personnes. Même, rapidement sur euh, les cas de personnes qui sont encore sceptiques, qui en tout cas euh, continuent de vivre comme avant sans, sans avoir changé de comportement. Euh, oui, bon, je pense que en fait, euh, Garé l'a si bien dit, il y a des changements de comportement. Il y a d'autres personnes qu'aujourd'hui, on ne peut pas leur faire changer de comportement. C'est un peu difficile c'est un peu difficile. Donc, je pense qu'il euh, faut, euh, parce que jusque-là, les Nigériens, il y a d'autres Nigériens qui ne croient pas à cette maladie. Jusque-là, je vous assure, il y a certains Nigériens qui disent que ce n'est pas une maladie en fait, c'est juste un petit rhume et qu'on peut traiter donc euh, très facilement. Donc, je pense qu'il faut continuer vers la sensibilisation. Il ne faut pas reculer. C'est la sensibilisation, en fait, la première arme, en tout cas, pour combattre cette pandémie. Et les Nigériens, qu'on le veuille ou non, vous savez comment nous nous sommes. Euh, nous consommons, la majorité des Nigériens aujourd'hui consomment ce qui euh, se, raconte sur les réseaux sociaux très rapidement. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, les gens pensent que c'est une maladie qu'on peut très rapidement donc se soigner avec les ingrédients que vous voyez sur les réseaux sociaux qui se dispatchent un peu partout. Donc, je pense que là, c'est comme l'a dit Gareth, c'est vraiment véritablement de continuer la sensibilisation pour que ces Nigériens reviennent donc à de meilleurs sentiments. Au sujet des personnes guéries, l'on a vu ces derniers jours des témoignages des victimes du Covid-19. Euh, je vous propose d'ailleurs de suivre le témoignage de Mme euh, Soumana Hajia Ramatou, une quinquagénaire euh, au micro de Moussa Hassan. Trois jours plus tard, je me suis sentie mal et cela a beaucoup inquiété mes enfants qui ont tout de suite appelé le comité de gestion du coronavirus. Les agents sont venus me chercher chez moi et hospitalisés à l'hôpital de référence. Lors de mon séjour, mon principal problème, était le manque d'appétit. C'est seulement de la bouillie que je pouvais consommer. Dès que j'en prends, j'ai des crises d'ulcère. Mais une nuit, mon état de santé s'est aggravé. Après plusieurs injections et perfusions, je me suis senti un peu mieux. Après quelques jours d'hospitalisation, je suis retourné chez moi. Les médecins m'ont demandé de rester à la maison confiné dans ma chambre pendant 14 jours. Aujourd'hui, la fatigue et le manque d'appétit ont disparu. Grâce au soutien moral de mes proches, ça va encore mieux. Voilà, donc vous venez de suivre ces témoignage de Madame Soumana Haji en tout cas une des victimes du, voilà, une rescapée, <laughs> entre guillemets, si on peut le dire, du, Covid-19. Euh, Maimouna Diado, euh, pensez-vous que ces témoignages, en tout cas, peuvent avoir un impact chez les Nigériens euh, qui sont encore sceptiques par rapport à l'existence de cette maladie euh, je ne pourrais pas dire que ce témoignage, euh, le témoignage ne peut pas avoir donc euh, un plus par rapport justement donc à cette maladie. Est-ce que les Nigériens vont consommer ce qu'elle vient de dire Elle n'est pas la seule qui à avoir témoigné. On a vu le, voilà le, vice-président de l'Assemblée nationale. on a vu le, médecin aussi qui, voilà professeur Madi qui ont témoigné également dans la télévision nationale. Je vais dire de façon générale, est-ce que le fait de voir des gens qu'on connaît faire ces témoignages, voilà, à qu'ils ont été effectivement atteints de cette maladie, qu'ils ont été hospitalisés avant. Euh, Vous savez, moi, euh, en matière de communication, je pense que bon, ce que le gouvernement, ce que eux, les témoignages que nous avons suivis sur les antennes hein, donc euh, de télé par rapport justement à cette pandémie, avec euh, l'intervention du, premier vice-président de l'Assemblée nationale avec son épouse, et de l'autre côté, nous avons eu le professeur Madi. Moi, je me dis que, en fait, les populations, pour convaincre en tout cas la majorité des populations, il fallait justement trouver d'autres malades qui ont été guéris, qui ne sont pas publics en fait. Parce que c'est, on, pense que peut-être quand on voit le président de l'Assemblée, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, on voit tout de suite la politique derrière. C'est un homme politique, c'est un homme que tout le monde connaît. Quand on voit le professeur Madi, c'est également un homme public parce que tout le monde le connaît, mais il fallait, il fallait vraiment des témoignages des personnes aujourd'hui lambda, des Nigériens lambda, des, vrais, des, Nigériens où les gens pensent que vraiment ce sont des vrais citoyens. je ne dis pas que les gens ne sont pas des vrais citoyens, excusez-moi. Parce que si on, prend, si, on prend aussi des, si on prend aussi des gens lambda, comme tu le dis, euh, personne ne les connaît, on peut penser qu'ils ont été manipulés, qu'ils ont été payés, non Bon, ça sera un peu différent quand même de, des interventions que nous avons eues, des témoignages que nous avons eus sur, euh, par rapport. Donc, je pense que ça ne pouvait pas. les Nigériens vont se. Bon, il y a certains Nigériens qui pensent que c'est une vérité, que c'est vrai leurs témoignages qu'ils sont en train de dire. D'autres ne pourront pas croire en fait à, ces témoignages-là. Bien, nous revenons en studio, Gare Amadou. Oui, en fait, en fait, témoignages de ces personnes. C'est une très bonne chose. Parce que ça permet aux sceptiques qui ne pensent pas que cette maladie-là existe de voir que cette maladie, eh, elle est bien là. Moi, j'ai cru comprendre avec, euh, parce que j'ai interrogé les gens au niveau du comité, les personnes, personnes, les personnes lambda ont été contactées pour pouvoir témoigner. Mais les personnes lambda n'ont pas voulu témoigner. Ou, même si elles vont témoigner, c'est un visage masqué. Hmm. Et donc, Sous l'anonymat. Oui, voilà. Et ça, ça ne peut pas permettre aux gens de croire à la, à, la sincérité des choses. Mais les personnalités, de premier rang, les personnalités, euh, en tout cas, comme le professeur Namadinema, comme le vice-président de l'Assemblée nationale, c'est les personnalités qui, qui assument hmm. avoir contracté la maladie en communiquant et, ils pensent qu'ils vont pouvoir avoir une influence sur les gens pour que Je pense que ça, c'est... Mais les personnes lambda n'acceptent pas de témoigner. Mm. Quand la personne est guérie, elle ne veut même pas savoir que c'était cette maladie qu'elle a. Mm. Donc, on considère, jusqu'à présent, on a une tendance à vouloir... Euh, il y a euh, encore cette stigmatisation au sujet des personnes oui, les gens les gens ont tendance, Les gens ont tendance à considérer cette maladie-là comme une sorte de maladie honteuse. Il ne faut pas que les gens sachent que j'ai eu le Covid parce que ça peut avoir des conséquences. Alors, si c'est pour intervenir encore à la télé, toute ma famille, déjà, je vais la mettre dans des situations difficiles. Donc, les gens, systématiquement, les personnes lambda comme vous et moi là ont tendance à ne pas accepter de témoigner. Mais je suis content que ces personnalités de premier rang acceptent de témoigner, effectivement. Alors, Hassan Boukar, quel est votre point de vue à ce sujet Oui, je pense que c'est quand même important que des personnes qui ont déjà contracté la maladie disent que n'est pas fictif. Nous, on a été victimes, on a contracté cette maladie. Et c'est important qu'ils disent qu'on est guéri. C'est-à-dire que ce n'est pas une maladie qui vous condamne à la mort. On peut être malade, on peut guérir. Comme là, vous l'avez dit, je pense qu'il y a une, sorte de communication qui laisse courir à un moment, qui a comme une sorte de stigmatisation vis-à-vis des personnes qui sont. Regardez par exemple quand on avait commencé à annoncer les premiers cas, on dit il y a une personne qui a contacté. On cherchait à savoir qui c'est. Quelle est la personne qui, se cache derrière ce malade ah, ah, Et donc il y a une sorte de stigmatisation. Au point où je me dis, mais bon, si j'étais malade, je ne dirais pas à la place publique que c'est moi. Alors, il y a eu quand même ce type de communication. Donc du coup, que des personnalités, euh, des élus acceptent de dire, moi j'ai contracté la maladie, mais je suis guéri. Pour moi, c'est extrêmement important. Ça veut dire aussi, on dit aux gens, même si vous êtes malade, vous, vous pouvez guérir. La preuve, d'autres personnes ont contracté la maladie et ces personnes sont guéries. Mais à mon avis, il faut, il faut continuer à travailler la communication. Hein. C'est-à-dire que nous sommes dans un pays où on n'a pas comme tradition d'éduquer les gens à la santé. C'est aussi ça qui nous rattrape. Dans les pays où vous avez une tradition d'éducation des, citoyens, de la population à la santé, on aurait eu moins de difficultés aujourd'hui à éduquer. Parce qu'on se rend compte qu'on n'a pas de médicaments, il faut prévenir. C'est pour ça qu'on disait par exemple que les pays qui ont connu Ebola récemment, parce que pendant cette période extrêmement difficile, qui était beaucoup plus difficile que celle que nous vivons aujourd'hui avec le Covid-19, les, services, les services de santé ont quand même appris un peu à parler aux gens, à leur dire, même si un de vos parents décède, ne l'approchez pas. Voilà. Mm-hmm. Alors, il y a eu quand même quelque chose qui a été amorcé de ce point de vue. Et c'est pour ça que ces pays disent, j'ai écouté Mme Sirleaf, l'ancienne présidente du Libéria, a dit, on a quand même connu Ebola, et le, après Ebola, on a retenu les leçons, nous sommes aujourd'hui capables de faire différemment les choses. Je pense que c'est important dans la vie d'un pays. Et chez nous, je pense que on n'a pas développé cette tradition. On attend que, que, la, ça va commencer maintenant. on attend que la méningite arrive pour dire aux gens, faites attention, quand ça passe, on oublie. Et donc aujourd'hui, c'est ça qui nous Dernier sujet, Garek, dernier, nous allons passer au... Euh, oui, rapidement. J'ai cru remarquer qu'au niveau du Comore, par exemple, mm. il n'y a aucun cas de Covid-19. Et au Comore, systématiquement, chaque année, il y a une distribution de chloroquine à toute la population. Mm. Je pense que on avait cette pratique-là avant, sous, en tout cas, l'origine militaire, je ne sais pas, maintenant. Avant que la chloroquine ne soit. Oui, oui, mais euh, je pense qu'il faut qu'on. Non, non. Euh, il faut maintenant qu'on revienne vraiment cette chloroquine-là, qu'on puisse, au niveau, à chaque année, qu'on puisse euh, distribuer cela au niveau des écoles et On se rend compte que cette chloroquine-là qui a été euh, mise au banc par les, par les pharmaciens, cette chloroquine là elle est efficace Parce que même aujourd'hui encore regardez la chloroquine les gens disent que ça a des effets secondaires. Mais il n'y a pas de médicaments a pas de médicament sans effets secondaires. c'est clair et net il n'y en a pas. Donc il faut vraiment qu'on arrive, qu'on arrive à avoir encore cette, cette tradition là. Nous passons au second sujet selon le bureau de la coordination humanitaire des Nations Unies donc au Chat Niger d'importants mouvements de population sont en cours dans la région de Tilaberi notamment euh, dans les départements d'Ayoru, Torodi et Abala. À la date du 10 avril 2020 c'est au total 11 euh, 11 015 personnes qui sont concernées par ces mouvements, d'après OCHA Niger. Ces populations prises en étau fuient les opérations militaires en cours dans euh, cette zone et les représailles des groupes armés non étatiques, ajoute OCHA Niger. Euh, voilà. Gare Amadou, comment comprendre cette situation humanitaire qui s'accentue malgré les efforts pour sécuriser euh, ces zones Oui, mais les efforts pour sécuriser ces zones, tant que eh, le terrorisme ne sera pas éradiqué, ces populations ne seront pas tranquilles. C'est-à-dire que c'est tout à fait normal quand des groupes terroristes vous menacent, ou parfois ils donnent des ultimatums dans certains villages pour dire à partir de telle date, vous devez quitter le village. Ou ils ne se sentent pas en sécurité parce que malheureusement, les forces de défense de sécurité ne peuvent pas être partout. Mm. Et donc, les gens ne sont pas. Donc, je pense que c'est une attitude normale pour ces populations-là de chercher à migrer encore plus à l'intérieur, dans des endroits qui sont considérés comme des endroits en tout cas sécurisés. Et je pense que cette, cette question soulève encore un autre problème, parce que non seulement il y a un problème sécuritaire, mais on est dans un contexte de Covid-19, ces populations déplacées-là, leur prise en charge, est-ce que des masques sont distribués, est-ce qu'on eh, on prend des mesures pour que ces, populations-là soient aussi préservées C'est ça toute la question qu'il faut aujourd'hui se poser. Mais je pense que ce déplacement de populations-là est normal. Les populations, quand elles ne se sentent pas en sécurité, quand elles d'avoir des représailles des, des, militaires, <laughs> enfin, je veux dire des terroristes, ou dans cette guerre-là entre les militaires et les terroristes, c'est tout à fait normal qu'ils cherchent à trouver refuge dans des endroits plus, plus sécurisés. justement, est-ce qu'il ne faut pas craindre une baisse de la vigilance et de l'assistance à ces personnes vulnérables dans les zones d'insécurité oui, C'est pour ça je, pense que c'est ça, c'est ça le cri d'alarme qu'il faut, qu'il faut, qu'il faut lancer. C'est-à-dire que ces populations-là ont besoin non seulement de nourriture, mais surtout d'une prise en charge sanitaire adéquate. Et surtout dans ce contexte de Covid-19, est-ce que ces populations déplacées-là, est-ce que la, lutte contre le Covid-19, elle est déjà au, niveau de ces populations-là Est-ce qu'elles bénéficient de masques, par exemple Ce sont toutes ces questions-là qu'il faut se poser pour essayer de... vraiment, c'est une question... 11 000 personnes, c'est beaucoup. Alors qu'il y a déjà dans la zone, il y a déjà en tout cas beaucoup d'autres personnes. Déjà qui sont en train... Bien sûr, bien sûr. Mais ça, c'est encore des déplacés internes, c'est-à-dire que c'est les Nigériens qui sont dans des villages qui sont sous la menace des djihadistes n'est-ce pas Ou peut-être même, de, en tout cas, qui peuvent subir les, conséquences de cette guerre-là entre les djihadistes et les militaires, mm. qui sont en train de se déplacer, et ce qui est tout à fait normal. Mm. Euh, Maimouna, euh, vous avez entendu également euh, donc ces, mouvements de personnes, 11 000 personnes, euh, à la date du 10 avril 2020, qui se déplacent au niveau interne. dans les départements d'Ayoru, Torodi et Abala comment vous comprenez cette situation humanitaire qui s'accentue alors que, euh, en tout cas, dans ces zones, euh, des opérations militaires ou des forces de l'ordre sont, euh, sont placées pour justement sécuriser et permettre aux populations de vivre dans la sérénité Oui, je pense qu'en fait, il faut remonter à cet état de fait que depuis les deux attaques, les deux attaques survenues dans la région de Tilaberi, euh, l'attaque de euh, Chinagoder et de Inates euh, ont fait des déplacés dans cette zone. Et il ne faut pas oublier également que la zone de Torodi, donc le département de Torodi également, il y a ce qu'on appelle des attaques périodiques, des attaques récurrentes dans cette zone. Et c'est tout à fait normal aujourd'hui que ces populations se déplacent pour aller tout simplement chercher refuge ailleurs. Parce que vous savez, avec cette situation, la région de Tilaberi, il y a l'insécurité qui est là. Il y a également le fait que euh, c'est une région qui a connu déficit alimentaire. Donc, euh, c'est tout à fait normal aujourd'hui que ces populations, avec les menaces de ces terroristes, euh, cherchent à aller dans des endroits où ils pensent que c'est des endroits plus calmes pour leur sécurité. Et maintenant, ce qu'il faut, comme l'a dit Gareth, c'est de voir comment est-ce qu'il ne faut pas que ces populations aussi soient délaissés parce qu'il faut les accompagner. Il faut surtout veiller à leur sécurité, sécurité alimentaire surtout, et, nutritionnelle, et également, également euh, voir cette situation sanitaire. Parce qu'on a plus. Euh, il ne faut pas que cette situation sanitaire de Covid-19 nous amène aujourd'hui à les oublier. À, laisse l'État donc, euh, amène l'État donc à les oublier en quelque sorte avec ces organismes-là. Donc je pense qu'ils ont besoin plus de confort, plus d'aide euh, humanitaire. Ils ont mm. besoin d'être euh, tranquillisés euh, pour que, bien sûr, la situation, en espérant que cette situation d'insécurité que vive la région de Tiladéry finisse un beau jour et pour que ces déplacés-là puissent regagner là où leur, leur, leur, refuge habituel je pense que c'est tout ce que nous pouvons souhaiter, c'est que vraiment qu'il y ait un regard, un regard sur ces déplacés, parce que 11 000, on est à la date du 10 avril, c'est 11 000. Dieu seul sait, à la date euh, d'hier et aujourd'hui, combien ils seront, qui euh, sait, personne ne sait. Donc c'est juste qu'il faut que au il faut que l'aide humanitaires soient également revue à leur niveau. Nous revenons en studio. Hassan Boukar, quelle appréciation vous en faites je pense que c'est avant tout une question de sécurité. Euh, les zones de guerre, euh, ce n'est pas le meilleur endroit où on peut rester en tant que population civile. Euh, la Gare disait justement que euh, tant que les terroristes sont là, les gens ne sont pas en sécurité, mais y compris l'armée elle-même. Mm. Vous êtes sur un terrain de guerre, l'armée aussi vous suspecte parfois, parce qu'on a l'impression surtout que les, les peuvent se cacher derrière les populations civiles. Surtout que dans le cas d'espèce, dans cette zone frontalière avec le Mali, on pense que les citoyens nigériens ou maliens, les, fils du tiroir, sont aussi engagés aux côtés des groupes armés. Hmm. Et donc, du coup, les, populations civiles sont aussi suspectées. Alors, dans ce contexte, rester sur le terrain de guerre, c'est vraiment s'exposer. Regardez par exemple à Difa, euh, euh, euh, rappelez-vous, il y a quelques années à Abadam c'est un avion qui a bombardé des populations civiles. Vous parlez de l'île Oui, à, Badam. Dieu sait combien de personnes sont tuées. C'est plusieurs dizaines de personnes qui ont été tuées. À la date d'aujourd'hui, on ne vous dit pas officiellement qui a causé la mort. Ces populations se sont retrouvées sur un terrain sur un terrain de guerre. Et donc les populations civiles ne sont pas du tout en sécurité sur un terrain de, guerre. Là, toujours dans la région de Difa, regardez par exemple si vous partez de Difa en direction de Guillemi ou de Maine-Soroa, tous les gens qui ne se sentaient pas en sécurité sur le terrain de combat sont venus s'installer le long du goudron. Mm. Et quand vous voyagez, vous ne voyez que des tentes ou des villages artificiels se sont Parce que là, ce sont des endroits relativement, relativement sécurisés. Voilà, on pense que le fait qu'on soit sur une voie principale vous met théoriquement à l'abri, vous êtes un peu éloigné des zones de conflit, vous avez abandonné les villages. Et donc mm. là, mm. Euh, sur cette frontière avec le Mali, je pense que mm. aussi longtemps que la paix ne revient pas définitivement, les populations ne se sentent pas en sécurité. Il y aura donc toujours ce mouvement des personnes pour chercher des endroits plus sûrs, en fait. Les gens cherchent des endroits plus sûrs. Et euh, c'est extrêmement pénible. Et la hein. réponse, quelle est la réponse qui doit e-, e-, être apportée face à, ces personnes, surtout dans ce contexte de, la Covid-19 mon fait et que ce conflit puisse euh, prendre fin peut-être rapidement. Alors qu'est-ce qu'on fait lorsque vous vous retrouvez dans une situation comme ça Vous avez des humanitaires, vous avez l'État qui vous assiste, on vous donne des tentes, on vous donne des, repas, on vous donne des kits, etc. Mais vous n'êtes jamais à l'aise, vous n'êtes jamais dans les mêmes conditions des que chez vous. que vous avez quittés mm. chez vous. Et donc, par exemple, dans la région des fois, j'ai vu des gens qui disent, on voit les humanitaires, ils nous amènent à vie, mais on est fatigué d'être nourri par quelqu'un moralement, il y a un poids extrêmement difficile que ces populations supportent. Et donc, lorsque vous abandonnez votre tiroir, vous venez vous installer dans des maisons de fortune, quel que soit l'appui qu'on vous apporte, vous êtes toujours dans des difficultés. Et donc, pour ces populations, c'est malheureusement un moment difficile. Et donc, le seul souhait qu'on peut faire, c'est que ce conflit, que vraiment ça puisse prendre fin rapidement pour que les gens puissent regagner leur terroir. Euh, J'ai vu la même chose à Difa, où malgré les conflits, vous avez des gens qui souhaitent vraiment retourner chez eux, qui sont fatigués de vivre dans des, des, maisons de fortune, euh, de recevoir toujours assister, assister toujours. Il y a des gens, euh, vous entendez souvent les gens dire, euh, oui, les gens ont une mentalité d'assister. Vous avez des gens qui ne souhaitent pas être assistés, mm, mm. qui veulent vraiment vivre par eux-mêmes, prendre en charge leur famille. C'est ce qu'ils ont fait de tout temps. Et donc, le fait que vous quittiez vos terroirs, que par le conflit, vous soyez amené à vous installer ailleurs, c'est un moment extrêmement difficile pour ces communautés. Et je pense que quand on les aide, il faut vraiment avoir cela à l'esprit. Hmm. Dernier sujet, 27 hein, véhicules de transport ont été détruits par des militaires nigériens dimanche à Chetimari, de la région de Difa, selon le président régional des transporteurs de Difa, Congo à joint euh, par euh, notre correspondant euh, à Difa, Lawan Bokar. voilà. Pour avoir la version des autorités, notre correspondant Lawan Bokar a aussi rencontré le préfet de Difa, Aboubakar Warzagan Adamou, que je vous propose d'ailleurs de suivre. Il a fallu le lendemain, lundi, pour que le syndicaliste dont vous faites allusion, avec bien sûr le représentant du chef de canton et quelques habitants de Gagamari, je crois bien, étaient venus pour me faire euh, le compte rendu, euh, me donner la liste des gens qui ont, les propriétaires de véhicules qui ont été brûlés mais je ne sais pas dans quelles circonstances ces véhicules ont été brûlés. Je ne peux pas me prononcer sur euh, une situation où je ne maîtrise pas peut-être tous les contours. Moi, je ne suis pas témoin de ça, je ne, me suis pas présenté. Il y a eu tellement d'images aussi qui ont circulé pour dire qu'on a brûlé tel nombre de véhicules, jusqu'à 27 véhicules. On verra la, suite. Les habitants qui, sont dans cette situation, nous ne pouvons que leur demander un peu plus de patience, un peu plus de courage pour euh, surmonter euh, cette, situation. Ils sont venus me rencontrer, je les ai calmés, je leur ai demandé d'être de, un peu plus courageux, de voir clair eux-mêmes. Ce serait la meilleure solution, moi, je trouve, voilà, c'est le préfet de d'IFA que vous venez de, suivre. Euh, voilà, Warzagana Aboubakar Adam. Euh, Hassan Boukar, est-ce que vous avez d'autres informations au, sujet de ces véhicules euh, détruits Alors, en écoutant le préfet de DIFA, la hmm. première chose qui me frappe, c'est qu'il ne parle pas d'enquête. Hmm. Dans tous ses propos, on n'entendait pas le mot enquête. Hmm. Quelque chose est arrivé, on parle de près d'une trentaine de véhicules qui ont été brûlés sur son territoire. Il y a des victimes, des gens qui sont venus le rencontrer, lui parler. Le syndicat est bien là, hmm. mais ne parle pas d'enquête. Hmm. Lorsqu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, la première chose à faire, c'est diligenter une enquête. L'enquête permet de clarifier ce qui s'est passé. À des fois, nous sommes sur un terrain de guerre. Ça fait des années que la guerre s'est poursuit. Il y a beaucoup de victimes de la guerre causé par différents acteurs. Et donc, lorsque des personnes arrivent en disant ce sont les FDS qui ont brûlé, etc., etc., la première chose à faire, c'est de faire une enquête pour savoir qui est, qui l'a causé et quelles sont les raisons pourquoi ça a été causé. Peut-être que dans d'autres cieux, les gens saisiraient directement la justice pour que la justice puisse enquêter et savoir juste qu'est-ce qui s'est passé, s'il y a des victimes, qu'ils puissent rentrer dans leurs droits. Alors, nous sommes dans une zone de conflit, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, je cru comprendre que c'est peut-être un mouvement de véhicules de transport euh, de part et d'autre de la frontière euh, commune, euh, dans la commune de, de Chetimari. Alors, est-ce qu'il y a une raison pour laquelle l'armée a, détruit ses véhicules Sûrement, il y en a une, au moins mm. pour l'armée, qui a mm. posé ça. Bon, oh, c'est dommage aussi que l'armée ne communique pas, parce que l'armée aussi a l'obligation de communiquer, mm. même en temps de guerre, parce que vous posez les actes au nom de la République, au nom de l'État. Vous les faites. Vous intervenez dans une zone où vous avez besoin du soutien de la communauté. La communauté a au moins besoin de savoir que leur armée est à leur côté. Mm. Alors, lorsqu'il y a des actes qui sont posés et que la, la population se plaint de l'armée, il y a un problème. Mm. Et donc, le soutien, la collaboration, tous les efforts qui sont faits pour qu'il y ait une collaboration entre l'armée et les communautés afin de faire face à l'ennemi commun. N'oublions pas que l'ennemi commun, c'est Boko Haram. Et donc, tous ces efforts auront du mal à porter leurs fruits lorsque l'armée pose un acte aussi grave. 30 véhicules, c'est quand même énorme. 27. 27 véhicules, c'est mm. quand même énorme. Un véhicule, c'est si c'est un véhicule de transport, c'est de ça que les gens vivent. Vous mm. faites le va-et-vient. Alors, ah on ne peut pas laisser le flou sur ça. Donc, pour vous, au-delà, au-delà du fait que les autorités euh, euh, régionales et départementales ont, l'obligation de, notamment, de diligenter, si jamais elles ne sont pas au courant, de diligenter une enquête pour savoir les circonstances, il y a aussi cette obligation pour l'armée de communiquer pour justement. Euh, l'armée, euh, C'est dans l'intérêt. À mon avis, c'est dans l'intérêt de l'armée de communiquer. il y a il y, a une affaire qui s'est passée depuis plusieurs jours. L'armée garde le silence. Parce finalement, c'est la version des populations qui va. Chacun, qui va, qui peut penser ce qu'il veut. Hmm. C'est-à-dire que l'armée ne peut pas dire je m'en fous, pensez ce que vous voulez. Quand tu te tais, d'autres vont communiquer à ta hmm. place hmm. et ce n'est pas nécessairement en ta faveur. Et donc, l'armée a intérêt aussi de dire écoutez, voilà ce qui s'est passé, je vous donne ma version. Les autres, s'ils veulent par exemple aller en justice, ils ont au moins, Laurent l'a l'armée. ils peuvent aller demander au juge de dire le droit. Et donc, mais, il faut qu'on sache que même en temps de guerre, on ne suspend pas les droits humains. Les droits humains existent en temps de guerre. Si des personnes considèrent que leurs droits n'ont pas été respectés, ils peuvent saisir la justice. Mais les autorités ont aussi intérêt à faire une enquête pour clarifier. Ça y va de l'avenir de tous les mécanismes qu'on met en place pour combattre l'ennemi. N'oublions pas que l'ennemi est beaucoup. Haram. Maïmouna quel est votre, votre commentaire sur, sur cette question euh, mon commentaire, c'est que d'abord, l'intervention du préfet ne rassure pas, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été oubliées dans sa communication. Euh, aujourd'hui, c'est 27 personnes qui se retrouvent euh, sans moyens de transport, sans, sans, outils de, de, transport, et 27 personnes aujourd'hui qui sont au chômage, des pères de famille qui vont se retrouver au chômage. Et donc, les dernières nouvelles que nous avons reçues donc, de cette affaire, c'est que euh, le, syndicat aujourd'hui euh, décide de porter plainte contre euh, vraiment la destruction de ces 27 véhicules. Et je pense également que, comme l'a dit Hassan Boukar, l'armée devrait plutôt communiquer. Parce que quand vous vous taisez, c'est que vous, êtes plus l'ennemi de la population que les amis de la population. aujourd'hui, en temps de guerre, il est plus favorable que vous devenez des amis pour cette population que d'être aujourd'hui des ennemis. Et comme euh, on sait que c'est une zone aussi à risque, on ne sait pas dans quelles circonstances donc, euh, ces événements ont eu lieu. On ne sait pas pourquoi est-ce que l'armée a détruit ces 27 véhicules. Personne ne saura la vérité si, par exemple, comme l'a dit euh, Hassan Boukar, si l'armée reste muette face donc à cette situation. Je pense qu'il faut communiquer, il faut communiquer, il faut que les, autorités de DIFA revoient donc euh, leur communication vis-à-vis de cette population. Il faut les rassurer. si la population, par exemple, ce la population à tort, il faut leur dire que voilà pourquoi est-ce que ces véhicules ont été détruits. si d'un côté la population a raison, il faut leur donner la raison et, et aller voir dans quelles circonstances il faut, il faut, ils, vont, revenir sur une table de négociation pour voir ce qu'il faut faire, pour mettre, en tout cas, pour euh, restituer, je, dirais, ces véhicules donc à ses propriétaires. C'est ce que moi je vois. Nous revenons à au Gare Amadou. Nous terminons avec vous au sujet de, cette affaire euh, à Chetimari. Oui, effectivement. Qu'en euh, pensez-vous déjà, déjà, je suis d'accord avec mes deux interlocuteurs. Quand on brûle 27 véhicules, il faut communiquer pour expliquer ce qui s'est passé. Hmm. Euh, à défaut de communication, moi, j'ai mis en, en branle ma machine et j'ai essayé d'avoir des informations et j'ai eu des informations sur ce qui s'est passé. Les informations qu'on m'a données, c'est que les véhicules qui ont été brûlés, ce sont des véhicules de marque Golf. Déjà, c'est un détail extrêmement important. Hmm. C'est des marques Golf et les véhicules qui ont, ils ont été retrouvés au niveau de la localité de Walada. La localité de Walada est située à 10 km au sud de Chetimari et à 4 km au sud de la localité nigérienne de Damasak. Hmm. Et, l'information que j'ai eue, les véhicules qui ont été brûlés, d'autres ont été brûlés et d'autres. D'abord, les, propriétaires n'étaient pas là. Hmm. C'est des véhicules qui n'ont pas de pièces, selon les informations que j'ai eues, hmm. qui n'ont pas de pièces euh, euh, et, on ne connaissait pas les propriétaires. Mais, selon les informations qu'on m'a données, mm. ces véhicules-là sont soupçonnés de faire du trafic au profit de l'État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP, et au profit de Boko Haram. Mm. Et un trafic en termes de carburant et en vivres. Mm. Donc, les véhicules, il y a des véhicules déjà qui ont été brûlés par les FDS sur la base des informations qu'ils ont eues, de leurs indicateurs. Et d'autres véhicules ont été amenés au niveau de, du, du, service des douanes. N'est-ce pas Mais je pense que et, euh, euh, euh, on ne doit pas s'attendre à ce que, par exemple, moi qui suis un journaliste, que je fasse des recherches, n'est-ce pas Pour avoir ces informations. là il faut faire une communication. Quand, un acte comme ça est posé, il, faut, expliquer aux gens. Comme, comme Garel le dit, comment lui, il peut avoir ça. Et, que, le préfet ignore tout. Voilà, le préfet, peut-être que. Bon, il, est un peu loin. Non, le préfet est un peu loin. Moi, je suis ici, peut-être que. mais, ça c'est pas à, mais ça se passe à Difa. toi, tu es à Niamey. Toi, tu C'est toi qui es loin, Garel, pas le préfet. C'est sur son territoire. Oui, quand je dis Non, c'est une question de. C'est une question de. Chez Tibari, il y a à peine 25 km de Non, non, de ce qui dans ce mhm. dit, mais quand vous avez des véhicules, vous les soupçonnez. C'est vrai. Est-ce que vous êtes obligé de les brûler Non, c'est vrai que. C'est vrai, la que non, vrai que, mhm. euh, en temps normal, moi, ce que j'aurais voulu, mhm. c'est que ces véhicules-là, d'abord, qu'ils n'ont pas de pièces. Que vous les preniez et que vous les amenez dans un lieu en attendant à ce que les propriétaires viennent. Mais l'avantage, c'est que ça va vous permettre d'arrêter ceux que vous soupçonnez d'être des complices de Boko Haram. Mais là, si vous brûlez. Normalement, rien ne justifie voilà. qu'on Mais maintenant, l'enquête, l'enquête, les gens disent qu'ils vont porter plainte. Eh bien, ça va permettre de savoir exactement les propriétaires de ces véhicules-là qui n'ont pas de papier, selon les informations que j'ai, mm. ils vont s'identifier et ça va permettre peut-être que euh, à ceux qui luttent contre le terrorisme de savoir pouvoir identifier ceux qu'ils soupçonnent d'être les complices. Mais et, qu'en est-il de cette question de communication qui a été Non, on ne peut pas brûler 27 véhicules et puis se taire. Mm. Mais non, il faut expliquer aux gens pourquoi ça s'est passé. Mm. Moi, j'étais obligé de faire mes recherches pour avoir ces informations-là. Mais pour moi, comme l'a dit Hassan Boukar, c'est-à-dire que c'est au FDS de faire une bonne communication pour être encore plus proche de la population. Je crois que si cette communication avait été faite, si on dit que, ah oui, euh, euh, euh, d'abord, on ne devait pas brûler d'abord, mm. moi je pense que c'est une première erreur, mm. et on devait d'abord chercher à savoir à qui appartiennent ces véhicules-là. Ça va permettre peut-être de de, de, de, mettre hors d'état de nuire ceux qui sont soupçonnés d'être les complices de Boko Haram. Maintenant, quand on brûle les véhicules, les gens ils sortent à, travers le syndicat. Bon, euh, le processus va se suivre. Mais je pense que, comme l'a dit Sambokar, une bonne communication pouvait permettre d'éviter toutes ces supputations-là. Mm. Parce que jusqu'à ce que, par exemple, peut-être que moi je viens de dire ça sur le plateau de Kalangou, mm. beaucoup de gens ne savent pas pour quelles raisons des véhicules ont été brûlés. Mm. et eh bien, je lui dis. Mais, ce que vous dites, regardez. Pour finir avec vous, Sambokar, oui, oui. ça reste à être confirmé. C'est juste une version que vous oui, avez. c'est une version que je donne. Voilà, donc peut-être que les raisons sont totalement différentes. Non, non, moi je donne une information. En tant que journaliste d'investigation, c'est une information que j'ai pu recueillir, que je donne. Selon des sources. Voilà. Et, et, mes sources, je vous dis, mes sources sont très, très, très crédibles. Il appartient maintenant au FDS de faire une communication pour expliquer de façon très claire ce qui s'est passé et les raisons pour lesquelles on a fait cette chose-là. Merci. Nous sommes au terme du forum de la presse d'aujourd'hui. Nous étions en compagnie de nos confrères Gary Amadou, journaliste au quotidien La Nation. Euh, Hassan Boukar, journaliste à la radio alternative, et Memouna Diado, journaliste à la télévision Tambara, au téléphone avec nous. Je suis Alassane Kouzi Mamadou pour la présentation de cette émission. Le volet technique assuré par Issa Alawali, la régie vidéo assurée par euh, Ayouba. Euh, je vous rappelle le rendez-vous hebdomadaire du programme des jeunes samedi et dimanche de 17h avec l'actu des jeunes en cinq langues suivi de tous à la FADA. Et à partir de 18h15 samedi, le forum en Hausa et dimanche, le forum en Zarma. you